Euh, banque bu am solo boo aussi euh, c'est une banque sénégalaise professeur. waaw euh, la souveraineté économique. oui la souveraineté au sens large du terme. oui elle est elle est d'abord politique. Mm. elle est stratégique. Mm. elle est opérationnelle. souveraineté boobu elle touche tout maanaam dafa laaj les banques laal la monnaie laal la fiscalité laal l'industrie mm-hmm. laal les télécoms laal l'eau ci ndox bi la l'alimentation la euh, l'électricité Euh, maanaam souveraineté elle doit être totale maanaam dañoo am souveraineté ci lépp yoo xam dañ koy téye téel ko suñu bop jàmbur duñ ko téyel manam mhm. soo souverain sa salaire yow mooy salaire sa poche nek ya koy gérer sa bop maanaam sa portefeuille warul nekk ci loxo kenn muy dess di la ngay jaay ak loolu jaay donc euh, monnaie bi nga wax nak ñu génn ñu si de nous mhm. sommes ba tey dans la logique bu ñu nekkoon mhm. logique bobu tay la gëna a ndax Aujourd'hui, nous allons tout droit vers une fragmentation claire hein, mm. dans la zone grecque. Mm mm-hmm. Pourquoi aujourd'hui, il y a les pays de l'AES, euh, déjà, ils de la Ils de été Il y a des pays de l'AES, ils ont Non, le pays de l'AES, ils frères. Ah. Nous respectons le choix des pays de l'AS. Tout en restant. Ils sont souverains waaw bah, choix fi fini bokk ñun la concerner. loolu tamit PDS c'est ko duñ ko duñ définir pour nous nous gëm ni dëkk bu nekk il est libre de définir ses choix. nous respectons vous attaquez parce que dañoo euh, même ça y en a certains panafricains euh, ñu ne yéen da ngeen a mbubo euh, li nga xam ne nekk mbubu panafricanisme sans ngeen a mesurer li nga xam que moo nekk mur déjà vous critiquez la CDAO, mais avec l'accession du président Bassirou Diomaye Faye. nous critiquons toujours la CDAO. Madame dama gëm CEDEAO. ba tey tout en y restant waaw dañ ci mais lu tax ci nekk soo ñëwee fekk dara li xam ne baaxul dañoo gëm ne baaxul. oui CEDEAO ni mu doon fonctionner baaxul CEDEAO ñun on a vécu les faits de la CEDEAO. oui CEDEAO mosul wax dëgg par rapport au au au recours ñu doon def yëpp par rapport ak ñoom CEDEAO baaxul. Mm. CEDEAO syndicat chef d'état la woon moom la nekk ba tey. Mm. aujourd'hui nag un président qui vient en fonction en avril am na un minimum de sérieux bi mu war a jéem a avec l'ensemble de ses moyens jéem a xool comment mobiliser toute la diplomatie sénégalaise pour xool comment régler ce problème là buñ ko essayé en un an un an c'est largement suffisant pour dire mon ndax on peut impacter oui ou non. bu en un an bu ñu mënul soppi dara ñu xam ne mënuñu dara nag ñu soog a bàyyi loolu mais doo ñëw taxaw salaamaaleykum rek sànni benn biir alors que am nga capacité ak possibilité qu'on ko changer nous nous sommes foncièrement panafricains. waaye suñu panafricanisme nous du panafricanisme de salon. nous ne sommes pas des activistes. nous sommes des hommes politiques yoo xam nos dañoo dénk réew dénkuñu Afrique dañoo dénk réew. Mhm. réew boobu dañoo am devoir xool ko saytu ko ba pare yóbbu ko fenn fii xam ne fu digaale. ak waa Sénégal tout en restant dans un panafricanisme bi nga éclairé un panafricanisme bi rationnel et sérieux mm. ñun wa AS nous respectons wa AS diga nga man mm. su sama sentiment personnel oui professeur sama sentiment personnel moi le gëm ni Sénégal dafa collaborer avec AS ce sont mm-hmm. nos frères AS dañu wara créer les voies et moyens de collaborer avec eux parce que ce sont nos voisins ni bëgg ko bañ nous sommes condamnés à vivre ensemble mm. nous devons les respecter ak reconnaître c'est le droit d'avoir une alliance dans l'espace ouest africain Nous sommes au niveau euh, de l'Afrique de l'Ouest mais le Sénégal ça crée une confédération avec Gambie créer une confédération tout en restant dans l'union mais il a deux problème UMOA organisation la ci biir CEDEAO général CEDEAO l'OMVS l'organisation de mise en valeur du flot Sénégal mais organisation la ci le CEDEAO euh, général CEDEAO Sénégal bokk d'organisations ci organisation pourtant nous sommes membres de la CDAO. donc waa AES a le droit créer une organisation ci CDAO, C'est le droit là. ils sont souverains

tout en travaillant à la CEDEAO que la CDAO, reconnaître AES. déjà c'est un premier point. que le président Bassirou Diomaye euh, dox tànku jàmm digganteem ak quoi CDA, à quoi AS. est ce que nous parions déjà perdu d'avance, professeur. C'est n'est pas perdu ndax il euh, y' a des choses à faire. on a des plans. Il y' a un plan A il y' a un plan B plan C plan D Nous savons que ni AES du jamais CDAO. C'est sûr et force de dans CDAO. CEDEAO. Nous, on est en train de travailler sur autre chose on a d'autres agendas à xam ne euh, l'espace ouest-africain dina la coopération entre les peuples ndax les peuples ne souffrir ni subir les divergences avec les différences les élites avec les dirigeants nous, vont am loolu dafa l'intégration régionale. C'est éviter pour l'Afrique de l'Ouest. Nous, vraiment, nous sommes très rationnels et très cohérents dans ce que, nous faisons. Nous ne sommes pas dans un rêve, hein. nous ne rêvons pas. Mm. nous mm. Il y a des crises, ils doivent l'assumer, ils l'ont fait. Mm. ils ont été informés et nous l'avons Donc vraiment, nous, euh, euh, sauver les meubles, moo ñu war. Euh, defar gaa yëpp mën a mën a nekk si jàmm jëflante parce que nous avons des diasporas très fortes dans ces pays-là. Au Mali beaucoup de Sénégalais vivent là-bas. Euh, au Burkina il y a une forte communauté sénégalaise qui est là-bas. C'est vrai. donc euh, nous nous sommes nous sommes un seul peuple hein du ñu nangu kenn jógee fee bitim réew bëgg ñu xàjjale wala ñu féewale. Mhm. waaye nag kenn tam du ñu dicter suñu suñu suñu suñu marche en tant que pays souverain kenn du ñu ko dicter. on va pas nous obliger da nga war a ñëw par force bokk ci lii nous ne sommes pas obligés bokk ci quoi que ce soit nous dañu nekk di contre la tutelle française et la tutelle occidentale dans notre sous-région et spécialement dans notre pays nous ne voulons plus de tutelle soxlawuñu ku ñu faut. nous avons besoin de partenaires yoo d'égal à égal ñu mm. jëflanteeg ñoom ci ay nous ñu àndandoo liggéey loolu nag fu mu mënti Mali Côte d'Ivoire Maroc France États-Unis nous pouvons faire la même chose on va privilégier nos frères africains avant de oublier vers les autres